Sénéguindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Nova, Gold Skin by Sivo. Ak Joker Yai chef. Novotel. Mayonnaise onctueuse et délicieuse. Savon pâte, savon poudre, savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Orange Money Perey yi 144 dièse Miriam yombal Dundu, Tamou, Orange Money Orange Money dal, Koukoura, ko Doto, Kobayi. Orange. Savoure ton lait et sois fort. Promo spécial Ramadan avec Baba Tech. Congélateur vertical de marque Weirpool. 6 tiroirs au prix exceptionnel de 169 000 francs CFA. Pour tout achat d'un congélateur, un panier Ramadan offert. Diwan Décor, votre personnalité devient style. Sobel Kitchens, des cuisines personnalisées. Touba City Luminaire. Hôtel Amaralis. Terosali. Regus. Golden remercie ses partenaires stylistes. Avec Bacho Boutique et Francesco Smalto, l'élégance reste un mode de vie. Papa Gastro. Espace Beauté. Pour tous vos achats de produits de beauté et make-up, un seul clic à faire, sunushopping.com. Expert Auto. Mango. Flormar, professionnel en make-up. Devenez encore plus belle, sublimez-vous. leeral point net ay xibaar ci tàng tàng bi leeral point net ay xibaar yu wóor ak ay journaliste yu xarañ C'est vrai que quelques mois plus tard, là, c'est Golden. Et j'entendais parler de toi partout. Ninan, dans dañ la tu que yow Y'a abusé confiance ou j'avoue que je musuma suis pas wax pas parce que dama investir Golden ci sama cousin j'en ai profité ut ay action bàyyi laissé ci loxo pour pour déebale mon soi-disant mari tu peux me mettre en rapport avec quelqu'un pour mon affaire contre Bâle amul lu mu mënul ce ci réew mi mu tere ko mais pour Bâle dama bëgg nga may ko tuuti rek bés bu waxtoom jotee dinañ ko faire..! Fadel Bal sama xol bi munu ko may dara dara dara dara fais-moi confiance. ok. Tu sais après université man ak yow bi ñu séparé wu ku nekk dafa suivre yoonam nga topp sa carrière ma topp sama carrière mais mosuma woon foog bis dina ñëw man ak yow ñu dajewaat comme ça. te xoolal tey ñu ngi ni encore taxaw toujours dans le cadre du boulot te jamono yooyu suñu bëgg-bëgg ci wàllu liggéey du woon benn. tu voulais voyager sur ce carrière, être indépendante. Voilà. Mais au fond, il y ne Tu as fait le bon choix. Oui, je ne regrette pas. Parce que tu es un ça, comme pression sociale. Tout sauf que je ne suis pas heureuse. Du tout. Ah, le bonheur. Mado, le bonheur est un luxe. La vie est un combat dont la seule issue est la victoire. باه جميل ماني يكبره أنا جميل خارا من الكافي باه أنت يا جلال سوراني لا يدو تجول بلني أم أوكازيون ملني تالنا ها جستو كافي تروسي تالنا نكس فورمسا لا تالنا دي نو باي ملف

xaw ma lan moo si sa oui filo artisanal bi d'accord mais Jamil il faut être sur place mën a diriger opération yi et mënoo nekk foofu nekk à la direction C'est compliqué Il nga wut un homme de confiance pour le diriger l'opération yi foofu. non loolu dara su ma xamee lan lañ fa am rek Je xam noonu laa oui mais Jamil bu def erreur yi ma calme kanam hein. ok bonne journée ah. toi aussi.

rafet na de en fait yow gis nga yi nga jël ni yëpp yëpp rafet da ngay set noo koy agencé xam nga nooy defee composition yi pour rek nga nekk ci biir. j'hésite nag entre bi li ma jël xam nga lan. Hmm. yëpp laay jël. <laughs> je prends tout. de temps en temps il faut faire des folies. je prends tout. yal na ràpp ak jàmm. Amin, madame vous en êtes sûre. celle-là. ok. Hmm. dinaa jëlaat sama place. loolu de des na ci yow fexe pa jëm ci ñibisi ci kër gi yow nak ya wara xam noy def. waa badjan justement. Hmm. maa ngi dégg keroog James di wax ne nga demone séti ndawam sos. Hmm. kon dang kay jappalé. man. <laughs> nene tutu yow yaay sama deret man yow lay faral wante nak naga wara fagaru de ma ngi def lu ma mën de pourtant mhm. james dal ñibisina legi mom, man dama bëgg a yag na naa leen ko wax waaw loolu bàyyi ko sama loxo dina ko gérer baxna hmm. moom yow tegal ma lii fii. baax na si ay piscine man piscine lan ñoo nañ dem waaye. mais yow seen fii nice na de lu tax nga bàyyi fi lii yëpp pour ñëw Londres I'm just asking. su ma ñëwuloon Londres doo xam. Non, c'était juste pour voler de mes propres ailes. Monsieur, vous m'avez appelé Si, assieds-toi, Ousmane. Merci. Ousmane, le DRH, euh, elle est là pour se charger de l'organisation de la fête. Je nga ko visite après j'appelle le bien. Hein. ok on peut y aller oui monsieur s'il vous plaît మేము జాలం జాలం mais kon yow da ngay intéressé wu ci lecture. kon looy res ci bibliothèque bi depuis kañ sax la musiciens yi commencé intéressé wu ci toog. ah non oui en fait. bon voilà célibataire bu amul jabar bëgg lek trop tu vois donc il ma ko jënd sama yaay quoi pour cadeau quoi tu vois pour muy def ay recettes yu ndaw galé et yow tam da nga bëgg affaire de togg naturellement comme ça ni. oui et la musique aussi. itam gawal ci sama yéré yi xam nga dinañu tardé ci pot de départ bi. Albat xaaral tuuti li si des barewul gis nga dama bëgg so génné ci biti han ah, ñu xam ku lay cuuraayal. tu très bien que toi et moi pour la vie sama jigéen. déggal nak déggal nak yoo xam nga dama la méré won keroog ci sa décision ci vote ba. <laughs> Mais Madjigé, tu sais, avec toutes les difficultés qu'on a traversées, Magyao, Abadan. Walbat. Oui. dama sonn dama bëggoon ñu retiré wu ci affaire Golden Goldeni. ah oui je suis épuisée. ah mais ça c'est une bonne idée. Hum. man ak yow rek. suñu temps ak yow kese. Hum. ah non. waaw. Ah, wooy yow nag sama musóor bi yaa ngi koy tas nag ah li nga xam ne maa ak bint dañ ci sonn ba bëgg a dee moos. xam nga ne du ma yem tas musóor rek. ma ne nañ dem ni ñaa ñuy xaar yenn ay xeju fi de baax na. <laughs> <laughs> mooy de non mais en fait les mooy nga tayal bëgg lekk taxi à la fin tous les moyens sont bons pour faire cuisiner ma mère. on a qu'une mère Faire bon na ko sàmm. booy sama yaay bu léegi doon ñëw tam fi la koy bàyyi mère deewagul léegi Allô Lena. waaw d' accord d' cool yi ça va no fàttewuma ko. D'accord, je vais très bien. Ah oui, mais dans la politique, Allez, bye, bisous. Maïdem. Hein? Non. Mais mon bagarre n'a le guise de. Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, les directeurs et chefs de poste, Merci de témoigner de votre présence, de toute la force et la vigueur de Golden. Golden, de entreprise c'est une grande famille, une très belle famille. Après 30 ans du pour Golden, Taï Jotna, ma baille société à la jeunesse à une jeunesse qui a de la vigueur et de la sagesse. Je me rappelle, Madame Diop, elle a intégré Golden en tant que stagiaire. Maintenant, elle est chef de service. Donc Golden, c'est une fierté pour moi. Je ne serai terminé sans remercier une personne qui a été bu dul woon Golden exister je veux nommer ma très chère épouse si présente Madjiguène Gaye foog naa daal je Alioune Badara Gaye wax na lépp donc Omar dara dal luma ci wara yok xolal pour taf le plan continue ah ma de lima wara wax mom du gudda ah lima si rajouté dal moy que xam ci kan gaay yi yëngal ma ci bi tass ya discours bi man na ba bare

femme am lu may jël boobu buffet bi la. va.. on y va amul problème. Golden la famille bu mag la tout le xam nañu que ma jigéen ngay un slogan la am la famille c'est sacré famille ce n'est c'est pas seulement la famille gay. la famille c'est vous et aujourd'hui je suis fière parce que Golden c'est la seule entreprise d'exploitation minière d'or qui a sénégalais nioko mom entreprise du travail à des milliers de sénégalais On ne on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs Eh. petit con yow yaa nekk ci entreprise bi di créer ay mouvement d'humeur ak ay grève tu parles de quoi ferme ta gueule j'ai ton dossier doctorat bi tu à l'université à ko bac plus un gars, am kon da Grève fenn gréviste nga woon ak l'université. moo tax ñu dàq l'université..! université baal la parachuté entreprise le recrutement yi nga def yëpp personne n'est compétent lépp mu ngi basé wu ci népotisme le clientélisme eh, tiens-toi à carreau sinon je vais te démolir. mais le résultat bi nag moo compté mais bi ma tojee nen yooyu def naa mayonnaise te mayonnaise boobu ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp ci lekk ba suur parce que man liggéey laa gëm. liggéey pour mën a jël suñu Sénégal maître ko à l'avant te xam ne dañu war a fàtte xeex yi ak la amoon lépp dans le passé. vive Golden vive le Sénégal vive la famille merci. merci Monsieur Ousmane. Tout d'abord, on remercie M. ABG vraiment pour tout ce parcours Golden. Parce qu'en tant que DRH, vraiment, on a beaucoup appris à travers lui. Et vraiment, nos remerciements et non, vraiment, nos sincères reconnaissances aussi à vous, monsieur. Maintenant, Golden a été confié à un nouveau DG, M. Jamil Gay. Donc tous ensemble, essayons de créer un bloc très très fort derrière lui et essayons de redresser Golden pour pour que l'entreprise propice et puis a ñun euh, s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. James pour redresser l'entreprise. Nous ñun ñëpp Bonsoir tout le monde. Je vais être bref. Je suis au courant de vos revendications. J'ai trouvé la solution. Et ce que nous au travail. Merci. Et maintenant, on peut passer aux choses très agréables. Le buffet est là. Je vous en prie. mayal jam su mu bëggee ci victoire am bu ndaw boobu bés bu may jël golden mage du comprendre sax nu mu démé day xëy rek mu dal ci kaw. je ne peux tout même pas le laisser au poste de DG comme ça moy def lu ko neex. looy daw ci ginnaw ay poste melni kuy yel wal yo xana do actionnaire. ah non je pourrais pas supporter. dama bëgg nga imposer wu biir golden ba employé yi di la bàyyi xel loolu laa bëgg ci yow en plus exige réclame le poste de directeur des opérations. D'accord. Comme ça, beaucoup amé investisseurs yep yow lañuy directement. Faut jam tourner gis la Bon alors on fait comme ça. Je vais ça laisser savourer avec toi..! Bien. Monsieur Dian, je vous écoute. Votre euh, projet Oui, est Ousmane DRH Oui, qu'est-ce qu'il y a Ah, monsieur le président. taxal Fouf. ku ce là nga ñëw taxaw hein? Kanté responsable marketing et communication Adija Sow directrice commerciale Alun Diagne chef d'exploitation et service Fama Diaw Moussa Bey responsable technique vous êtes tous virés. Hein. Ousmane, nettoie-moi tout ce bazar. Mais qui c'est Très bien.